Tout le monde m'a équipe que euh, j'étais capitaine titulaire aussi mhm. il m'a appelé mhm. j'ai joué titulaire j'ai marqué et depuis je ne sais pas il m'a mis sur le banc mhm. après ce n'est pas moi qui va décider c'est lui le coach c'est lui qui décide donc euh. et le deuxième match que j'ai joué titulaire c'était là il n'y a pas longtemps donc euh. C'était votre deuxième match Deuxième match titulaire. En tant que titulaire. Mais le reste, ans de présence. Mm. Donc après, c'est pas moi qui fais l'équipe, c'est ah, Non, ça, je suis d'accord. Mais maintenant, est-ce que comment vous le vivez Est-ce que vous bon, vous n'avez pas trop le choix en même <laughs> temps. Il faut accepter les choix des coachs. Mais voilà, est-ce que des fois, vous avez rangé ce frein si bon, il y a quand même apporter plus Voilà, comment ça se passe dans la tête Chaque système déjà. moi, moi, moi, il choisir le système après yow mënoo ci bu fekkee ne fa choisir système boo xamante ni beneen attaquant bi la méngool. Mm-hmm. moom lay moom lay kii xam nga. Mm-hmm. man mënuma ci wax dara après. dëgg la mais yaakaar nga ni mën nga apporter peut-être buñ régulièrement même sur des départs, peut-être des fois nga ñëw dugg vingt quinze vingt minutes est-ce que tu penses que yooyu mën na la gën pour nous il mm-hmm. décisif parce que Sénégal on ne mais on marque pas beaucoup de buts en fait. même euh, match je en joué remplaçant aussi c'était décisif. Mm. donc euh, on a joué contre euh, c'était Guinée quand on a marqué le dernier minute quand Sadio lui mm. il a marqué. Mm-hmm. il a joué sur moi c'est moi qui l'a dévié sur lui il a marqué. moi à Bissau. Oui. Mm-hmm. et. Euh, l'autre remplaçant aussi que j'ai joué, on a gagné, il y avait Diallo qui a marqué, Abdul. Ok, Donc euh, après, à chaque fois quand je rentre, je fais mon travail.